Aujourd'hui, nous sommes venus à Thiès pour la distribution des kits alimentaires euh, pour 100 euh, personnes, 100 euh, euh, avec, 45 kg de farine, d'huile, du riz et du sucre. Cette aide vient d'un bénévole turc habite à Dakar chaque année, il fait euh, des aides humanitaires aux nécessités sénégalais au cours du Ramadan. Cette année aussi, il nous a euh, proposé de distribuer aussi, avec lui, des aides euh, humanitaires, des denrées alimentaires pour les nécessités. Nous sommes très contents de voir ici au salon rassembler euh, tous les représentants des associations de Ties, Inch'Allah, euh, on a commencé, grâce à Dieu, euh, on peut euh, aider pour les nécessiteux dans les années qui viennent, même pendant l'année, s'il y aura des occasions euh, à partager, parce que le Ramadan, Ramadan, le mois de partage, le mois de, euh, des biens et de bonnes actions. On fait nos devoirs envers Dieu comme euh, musulmans et aussi nous avons des actions entre nous euh, pour entraider les musulmans du monde. La Turquie est un pays qui donne beaucoup d'importance à l'échelle du pays et aussi à l'extérieur pour vivre, faire vivre le ramadan ensemble. On n'oublie pas nos frères dans n'importe quel pays euh, pour nous contacter ensemble grâce aux responsables de chaque commune, de ville, du pays. On remercie beaucoup euh, pour euh, des relations sénégalais-turques depuis 60 ans, surtout depuis à peu près 10 ans entre le deux présidents, Excellence Macky Sall, et notre président, Excellence Recep Tayyip Erdogan. Grâce à eux, on a trouvé les moyens, on a trouvé cette opportunité à partager ensemble. Merci beaucoup pour les responsables de la ville de Thiès et aussi pour les habitants de Thiès aussi. Merci beaucoup. Euh, jërëjëf tey ñu ngi recevoir euh, ambassadeur Turquie mu andi woon ay dons pour euh, nécessité yi Thiès mu andi 100 kits vraiment ñu ngi koy remercier ci turu maire moom aussi li mu wax dafa dal suñu xel ndax nee coopération bi dafay continuer kon loolu ñun rafet nañ ci njort ndax ku nekk xam na ne jëf ju rafet ci weeru koor. nekk na loo xamante ne lu soxal suñu borom la te daf koy fay doublement donc ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm di sant aussi ki nga xamante ne moo démarché yëf fii nag muy Adja ki Kiné wax dëgg neex yàlla joué na rôle ci maire bi ndax buñ ko joxee direction boobu mu dox ànd lu mel nii dañuy koy remercier gërëm ko ci turu maire ñun en tant que adjointe au maire mais en tant que conseiller aussi de la ville de Thiès kon vraiment ñi ngi sant ñi ngi gërëm aussi di wax ne ñii ñu ko jox aussi yàlla na nekk seen wërsëg te ñu muurloo ko jërëjëf.